Euh, il, a pas une euh, dans les urnes. Euh, est-ce que cela pose un problème ou vous êtes de la... Non, cela ne pose aucun problème parce que les populations vont sortir. De toute façon, par rapport à l'enjeu de cette élection, de ce référendum qui constitue un tournant dans notre vie économique, dans notre vie démocratique, avec des points extrêmement importants, les droits des citoyens, les Sénégalais de l'extérieur qui vont dorénavant voter, le rétablissement du quinquennat et qui est verrouillé par cette nouvelle révision constitutionnelle, etc pour dire simplement aussi que le référendum, euh, le vote se passe très très vite. Moi j'ai voté à Sangalkam, j'ai pas fait une, minute. Il euh, n'y a que deux bulletins à prendre, donc ça va très très vite. Il euh, ne faut pas s'attendre à des affluences comme si c'était une présidentielle. Mais effectivement, vous avez raison, il y a un défi à relever, celui de la participation, qui est quand même un défi important et également le résultat au soir. Nous n'avons aucun doute euh, en ce qui nous concerne ici, dans le département de Rufisque, euh, que le oui va, remporter de manière massive. Maintenant, nous devons gérer effectivement le taux de participation qui doit être quand même bon par rapport à l'enjeu de ce, de ce référendum vous savez, ce qui est évident, mais bien sûr, Sangalcam, les 4C, comme vous dites, il y a, un enjeu. L'enjeu, c'est que euh, le résultat sera très bon et massif. C'est ça l'enjeu, mais vous connaissez bien cette zone. Il n'y a aucun doute hein, que c'est le qui va remporter ça de façon massive. Nous, ñoo si euh, à l'heure actuelle euh, amul affluence si bureau de vote Et puis puis depuis suba euh, lu waral est-ce inquiétude pour taux de participation est-ce que à nga la. dina baax balaa. xam nga réviser un peu les référendums yi fi taux de participation référendum en général du comme fi présidentielle wala législative wala même local di Euh, effectivement en la défilé bu ñu war relever dem génne nit ñi ñu sensibiliser les ñu voter nous amna solo ndax référendum bi ni mu bindo motax président Macky Sall li indi ci référendum bi lu am solo le pour Sénégal les nouveaux droits des citoyens les Sénégal à l'extérieur qui vont voter le rétablissement du quinquennat etc., etc. donc yooyu yëpp tax ba askan war nañu génn exprimer wu. référendum tamit duñu am ay rang yu gudd lutax parce que vote bi dafa gaaw da ngay ñaari xop ngay jël rek dem choisir dugal donc c'est très rapide. bi ci dess moy ñun amuñu benn sikki sàkk ci victoire bi ñu wara am fi ci département bu Tëngéej le 8 massif va remporter cela té li ci kanam rawul Beut d'ici 18 h di ngeen xamni effectivement oui bi mo am ngeen euh, défi pour lever le taux waaw lolu participation bi lolu ñu ngi ñaax askan ñu genn euh voter bon évidemment amna jigen ñu bari nak ay boru midi 1h 2h ci ngon gi lañuy faral di gëna genn mais mais euh, su fekkante ni euh, affluence ngeen di xaar Euh, ci ay rang yu gudd loolu du am ci référendum ndax dafa gaaw da ngay ñëw rek voté dem donc loolu lañ ci mën a wax di ñaax ñëpp ñu génn effectivement voté. merci beaucoup monsieur le maire bul dem ah. coordonnateur coordonnateur département. alors yow benn question la ñuy posé yow tey euh, nord bi am ngeen euh, défi mooy conserver seen. c'est une suprématie du corps. Moi, voyez que vraiment, vous êtes toujours les plus forts. Non, je, ne suis pas d'accord avec vous, Najib. C'est un défi de conserver une suprématie. C'est l'augmenter, c'est le plébiscité. c'est-à-dire un oui massif vers plus de 90%. Je ne suis pas d'accord aussi vous, sur votre analyse quand vous dites que les surpopulations ne sont pas sorties. Souvenez-vous qu'en 2014, il y avait 19 bulletins de vote ici forcément les rangs étaient serrés, il fallait une heure, deux heures de temps pour quelqu'un pour voter. Aujourd'hui, nous sommes en face de deux bulletins. Et les gens, généralement, n'ont été l'obligation de prendre les deux bulletins. le bulletin du oui, Vous verrez à 18h que le ville va le remporter à plus de 90% ici dans le Nord, Inch'Allah. Oui, euh, je voudrais d'abord dire que je ne suis pas d'accord avec votre analyse quand vous, quand vous me dites est-ce que nous allons conserver notre suprématie. Notre objectif, ce n'est pas seulement de conserver euh, notre objectif, c'est de l'améliorer, c'est de l'augmenter. En 2014, nous avons gagné massivement et l'ensemble des bureaux de vote de cette école. Aujourd'hui, nous avons la paire. Nous avons tous les partis qui soutiennent le président Macky Sall. Cela veut dire que nous allons vers un plébiscite dans ce centre de vote et vous verrez qu'à 18h, Inch'Allah, on aura plus de 90%. S'y ajoute Là aussi, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'il n'y a pas l'affluence. Non, souvenez-vous aussi qu'en 2014, il y avait 19 bulletins de vote. Il fallait une heure, deux heures de temps par personne pour voter. Aujourd'hui, nous n'avons qu'en face deux bulletins. Nous étions l'obligation faite aux euh, populations de choisir les deux. Vous aurez vu qu'ils n'auraient choisi que le oui parce qu'ici, il n'y a pas d'opposition. Malgré l'un Askanmi, ici, il n'y a pas d'opposition. <laughs>